ci lu kenn préfet bu ndakaaru tere na cérémonie d'investiture bi waroon am ci samedi ji coalition Sonko 2024 woote woon ko ngir samp seen Ousmane Sonko jëm ci élection présidentielle bu 2024 loolu ki ko xamle di El Malik Ndiaye Mine, ne léegi lañu jot arrêt bu préfet bi wax meeting booba ñu amal samedi bi fanweeri fanweeru décembre aaye nanu ko jamono jooja El Malik nee candidat Benno Bokk Yaakaar ba ma ngay di amal ay meetingam fépp ci Reoumi Elmaligne li benen provokasyon le. Ouaye, man gaye wou militan yak sempatizan yo, nyoutok te deglou len. Oseye nou li fe loko. Ne koalisyon sonko prezident, aye nan nou komo amal, seremoni investitur bou Ousmane sonko che teren akapes bou parcel aseni, ni mou ko begewon ki samdiji. Mounen bo ba djamono, kandida ou ben ne boku yakar be amodou ba, agye nen kandida yep myon ge amal seyene aktivite, ken nou wakou len ledne. waral mu ne na militant ak sympathisant yi toog déglu leen waaye Ousseynou li ne li werte woor mooy Ousmane Sonko moom danañu ko investir mooy doon seen mbër ci élection présidentielle bi ñu jëm te ko samp Nino candidat yep. À la surprise presque générale, le préfet de Dakar vient d'interdire le meeting d'investiture du candidat Ousmane Sonko prévu par la coalition Sonko 2024 ce samedi 30 décembre au terrain AKPS des parcelles assainies. Information livrée par El Malik Ndiaye qui indique sur sa page Facebook, je cite, nous venons de recevoir l'arrêté portant interdiction de notre cérémonie d'investiture du 30 décembre 2023. Au même moment, le candidat de la servitude volontaire est en train de multiplier les meetings d'investiture un peu partout dans le pays. Ceci, selon El Malik Ndiaye, n'est qu'une provocation de plus. Mais le chargé de la communication de l'ex-PASTEF invite les militants et sympathisants à rester à leur écoute. Son camarade Oussainouli aussi réagit à cette décision préfectorale, renseignant aussi que la coalition son coprésident a été interdite de tenir l'investiture du président Ousmane Sonko au terrain à Capes. Pendant ce temps, indique-t-il, le candidat de Yakar Amadouba et d'autres candidats tiennent leurs activités sans être inquiétés. Il invite par conséquent les militants et sympathisants à rester à l'écoute et promet que PROS sera investi.